الحمد لله وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أغارنا خدارنا في كتاب بينكم وسعسا مهم جدا أرى وسرين دينا دبرناندا أرى وسرين دينا دبرناندا تنقى حديث يعني Tannakate ke hadise a wasi pour na sere mbina ndoto parce que dina ke ibadatu ni mana bati salle sume jaka ado akhlaq jikun. a muslimo kuya importance kin batiyu puisi. ina négligence dabar sirin cirin cirin cirin jikku kaaba ganni tuwano ku iñi iga rono kitabu noko nandaga tannaxate hadise mu iraga serendi ina dabarna c'est à dire ke kitabe banen to nongo maxe kitabu noko a toxongana al arbain كان أربعين النووية النووي خلا نيانك مي فوق بيتنا دبر objectif be gagner toujours parce que se fenga na gabo ma seren kadro no kuni gona ke sagar bakaro na tanna kate hadis khore kafme seren na gor nyati angal hada kaso ça l'objectif voilà donc pour te dire, toi, je pense que tu ne comprends pas très bien ce que j'ai dit. Parce que le Hadith Nawawi, c'est un. Ce n'est pas. Euh, ce sont livres qui s'appellent Al-Arba'in, les, les, 40 hadiths. Il y a eu beaucoup d'autres livres qui ont été écrits qui s'appellent les 40 hadiths. Mais c'est celui-là qui a eu beaucoup de succès. Qui a Celui de Nawawi, l'imam Nawawi. Alors, le but a été toujours euh, quoi Qu'est-ce qui était recherché par les ulama euh, Les ulama se disaient que, avec une quarantaine de hadiths, on peut regrouper l'essentiel de l'islam. Parce qu'il y a trop de hadiths, il y a beaucoup de hadiths, il y a des milliers de hadiths, des dizaines de milliers de hadiths. Alors, on va chercher les hadiths qui sont l'essentiel les, même, le fondamental même de, de, la, foi musulmane. On, va les regrouper et on va les enseigner aux enfants pour les apprendre. Et ça va leur faire euh, leur personnalité, ça va constituer la base même de leur foi. Ça, c'est l'objectif de Karat hadiths. C'est pour cela que chaque fois que quelqu'un vient pour apprendre l'islam, dès qu'il apprend un peu de langue, on essaie de, de, de, le faire travailler sur ces 40 hadiths-là. Bon, et ça, ça va être une sorte de nourriture pour sa foi. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, a Karle Il est mort très jeune. Il, est mort, il avait 43 ans. Donc, à Gabon, au le Au Koi, Nanti, Wachani, Lemine Laga, il a consacré dans la Dina. Mais Gani, Gani, non presque la iratna la tna hein, danga il ile mina ko kemu ma ina ya consacré ne alla dina subhanahu wa ta'ala iganani tine har hamini do duwa te min da khaso brebe wa le min tinia ina ngammi do duwa igana khaso brebe na hamido allah c'est tout à fait le contraire hein? les ulama en général ce sont des gens qui consacrent toute leur jeunesse à l'islam parce que l'imam Nawawi n'a pas fait que ça hein. il avait beaucoup d'autres livres c'est lui qui a fait le Riyad de Salihin c'est lui qui a, il a, il a fait la compilation de l'imam musulman en neuf volumes. Il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres livres qui sont des livres références aujourd'hui. Alors qu'il euh, est décédé à ans. À 43 ans. Ça veut dire quoi Lui, il a consacré toute sa jeunesse à ça. À la recherche du savoir, à l'enseignement, à l'écriture, etc. C'est tout à fait le contraire de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse musulmane, a tendance à se dire je m'occupe de moi-même d'abord, après quand je, serai grand, quand je serai âgé, je m'occuperai de la foi, de la religion. C'est tout à fait le contraire. Voilà. Donc, euh, l'imam Nawawi Nekiai, Rahimahullah ta'ala, hadith fana be est un hadith ni euh, importance be ga ngani ngadina ngani, importance

Ça, c'est faux. oganati ngani nafa nkadi fo horenya dinanga ono do ngani bega golle tuncin golle angana nya debar ni ngani bega tuncin sangana golle debar ngani kan tana ga tuncini ono do kenya khima kan ta golle ke ngani ke bana fon no ke bana bana bana kundunga ayo go ibaraje e ngeme ayo go baraje angana ta ro cha angatini nga mukori na misiri din kata galla da hari kana kana bartam bagan misiri en bartam bagan bagan do ma kuran tuga ke ga so anda ya wa mo gol nya siri ngande ya wa ila akhire donc anke ngande kun kun na khafuni ya kun na khafuni kun na ni voilà donc euh, euh, d'Allah, le but de ce hadith-là, euh, parce que chaque hadith, dans, le, dans les 40 hadiths, chaque hadith est une, euh, j'ai même envie de dire, est une philosophie. C'est le choix, pourquoi l'imam Nawawi, euh, qui a dû traiter euh, des dizaines, voire même des vingtaines de milliers de hadiths dans toute sa vie, ce qui a fait que il a, son choix tombe sur ces hadiths-là pour n'en choisir que 40 parmi les dizaines et des milliers de hadiths qu'il connaît, c'est parce que euh, effectivement, chaque hadith répond à un besoin particulier. Là, c'est l'importance de l'intention. Euh, Mais quand on dit l'importance euh, de l'intention, je dis, là aussi, il faut faire attention parce que le simple fait d'avoir de bonnes intentions sans faire des actions, ça n'a pas de sens. Il y, a des gens qui, par exemple, quand ils font beaucoup de, quand ils font une, transgression, tu leur dis, mais ça c'est haram, ils vont te dire, ah ouais, Allah, c'est ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est bon, Allah. C'est comme si euh, il, y a, il, a, une possibilité de rupture entre l'intérieur et l'extérieur. C'est faux. C'est-à-dire que ceux qui font ça, hein, en fait, prennent ça comme prétexte pour ne pas agir, alors que le Coran, il a appelé à l'action. La sunna a appelé à l'action. Donc, l'action, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on va étudier On va étudier le fait qu'il y a un lien très, très, très, très serré entre l'acte et l'intention. L'acte n'a pas, de, pas de sens sans l'intention. L'intention non plus n'a pas de sens sans l'acte. Voilà. Ati, an amir al-mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. idaraga mumin ni ngamir ma an awreni bakaba selon selon l'émir des croyants amir al-mu'minin Abi Hafs Hafs Faba le père de Hafs Hafs connu عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتي أتي قال كنت عمر بن الخطاب إلى دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أنت عندي البروفيت دل فار مغو يقول أغاتني جي أنتاندو البروفيت صلى الله عليه وسلم دير يقول أغاتني إنما الأعمال بالنيات قلنا إننا نيو نيامخ alors là ke hadise kundu sasa a tafsiru nden koto ñen innama al amalu golluga binniyati ne ganduyo ñama qu'est ce que ça veut dire tuwano ku controverse ñan noga tuwano kula xam yaɗo huma diga mi ke wurena innama sihhatul a'mali yaba gollun cahanta ko bi sihhatin niyyati tinganni cahanta ko ma wureni yaba innama kamalul a'mali gollun timmanta ko bi kamalin niyyati donganni timmanta ko nya batte ngaba so he ngana ko yere yogoni kuda kite kara nan tawuran kamadunya kha njegar fo be fam kay kenya gollu ndaban gollu yogoni nta sahana ngan ne nyagam saha gollu yogoni ira sahana ngan ne nyime gam saha kha inta timmene waranta yere golle diga me ke tranché no ko ko tranché no ko ke mana kite ke karam ko yogoni na misale kin kay sere ga ri mo sawa janaba nyana fate ngari sigi ngara le kambe nga po akati jinno ko am hara simana ti janaba yi fate ngale wo tawe nyana ita akati jinno ko aga ga kinyen sella nga hodu to ah oui bon baga gir wam kar donc ken nafas gam janaba kay ba kera ba yere inna ma sihhatul amali golle ke sahanta ko nga yere bi sihhatin niyyah parce que nganni ke be anga katina anda gam pate nyamulonte matuma xana ndiga me ke fam mm. voilà donc gollu ñugoni woyta timmene nganni ke agama timme nganni ke asirinani gollu yogoni yanta sahana yimme a lew lew lew lew wo kembre nke préféré tuwano be ñigati nanti innamal amalu gollu cahantaxundo i timmantaxu ini fili sukkonoa ini gollu cahantaxundi timmantaxu be Là, nous avons euh, cette parole du prophète sallallahu wa Il y a aussi bien en arabe qu'en français une lourde controverse entre les ulama euh, sous le sens de cette euh, parole. Il y en a qui disent en français les actes ne valent que hein, par les intentions. Alors, ne valent que ça veut dire que les actes sont nuls. À ce moment-là, on parle de validité. Quand on dit les actes ne valent que par les intentions, ça veut dire que les actes ne sont, ne sont valides que si les intentions sont valides. Alors que d'autres ulama disent que non, il ne s'agit pas de, validité. Il s'agit de... Euh, de la perfection. Il s'agit plutôt de la perfection. Voilà, c'est-à-dire que la perfection des actes dépend de la perfection des intentions. Ah, cette controverse est très très très longue dans les livres islamiques, mais moi j'ai choisi euh, le point de vue de ceux qui disent qu'il faut comprendre les deux. Les actes ne valent et ne peuvent être parfaits, que par la validité et la perfection des intentions. À ce moment-là, on prendra les deux, interprétations. Voilà, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a le janaba, par exemple. Et ben, il oublie qu'il a le janaba. En passant au bord de la mer, il a un peu chaud, il dit bah, je vais me rafraîchir un peu, il entre dans l'eau, il sort. Il n'a pas pensé à son janaba. Mais une fois qu'il est sorti, il s'est dit, mais tiens, je viens de me laver, donc ça doit être valable aussi pour le a-bas. J'ai posé la question à <laughs> aux élèves, ils ont dit non, c'est pas valable. C'est pas valable pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'intention. Là, on parle de, on dit que cet acte-là ne vaut que. On ne peut pas parler de perfection. Là, c'est l'acte est nul, carrément. Voilà. L'acte est nul. إنما الأعمال بالنيات ألو دي قامتنا يرغت إنما الأعمال بالنيات الأعمال جمع من قول لنا ما قولوا نيات قولوا النيات خا جمع نيات نغنيو كوكو إنما الأعمال بالنيات قولوا نغنيو نيات أولا في فنان كلابا تيانا سيادل قول لي سودي نغنيات zinganni badaratu golle cuɗoɓo sahe wala la lenki ganagni salli ni gana salle ganniya xumbane gana salli ngama salle ganniya lanta sini bo daru ngaɗa ganniya bana c'est bon no innama l amalu binniyat la on a, on, a, on a utilisé le pluriel de, des actes et le, et le pluriel des intentions ça veut dire que chaque acte doit être intentionné et c'est très important c'est très important parce que souvent, il y a l'automatisme aussi. On s'automatise un petit peu dans l'acte d'adoration. On a tellement l'habitude, on le fait, on le fait, on le répète, on le répète, et on finit même d'y penser quand on le fait. Ça devient automatique. Alors que chaque acte doit être intentionné à part. Je dois à chaque fois renouveler mon, intention. C'est pour ça, hein, Amal. Deuxièmement, amalu, الأعمال la oui euh, qu'est-ce qu'on entend par acte voilà c'est comme ça qu'on va s'apercevoir que la traduction est mauvaise en français al amalu on, on a traduit les actes ah, oh. al amalu ou est-ce que tu as un amalu, ha non. digamum est ce que digamen gollu Ah? ñamantino ha mais oui parce qu'on que ono salam ono silama kun cafeña noxonde junubum do bara jega kitene fofu a noxoñana andal là nous sommes en train de parler de hein, de tout ce qui est, pour être rétribué, récompensé ou châtié. Que ce, ce soit une parole, ou un acte. Donc, al ici, il ne faut pas le prendre dans le sens physique du terme, c'est-à-dire gollebe, innama al-a'malu gollu, al Non, même la parole, mhm. c'est un acte. Même le sourire. Hein? Même le sourire. Oui, même le sourire, bien sûr. <laughs> même le sourire, c'est un acte. Non, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut que barrage qui n'y maga a togo ñagani diga me a togo ñagani golle a togo ñagani bo ken donc a amalu a wure a rabun qanni nga yashmalu lfila walqawla ولهذا الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم انما الافعال لان الفعل <coughs> الله فارم ما الى الى آه، في بون شو انتر دي فيربا ده هذا سوغال سيرن دبري فيلنا خا فعل دو عمل فعلو غالبا كنيا ندو سوفين تا فوبي دابا ما ما ما غادي نفهم آه؟ ها فوالا فعلو اكنيا نا غولو بيني بو اكي خو سوفين تا فوبي دابا بارك الله فيك شكرا بسم الله عملو كينقا اكن دبرين دي نياتا دبرين دي كونغا وقت ني نيغوني او سيرو وقت كاتيو ادفو بوغو دابا adama e amadaga katino kati waramay marma kadim pam wono defar ne ñako no donc mana adiga moi ma gebe e dikati tar fo bure de ban man debar aka kan taka salli ar fo debar non serbe ga taxo am salli qu'est-ce qu'il a ar man debar ar fo to kono ah là on va aller plus loin Faire est un acte en islam. Ne pas faire est un acte. Un acte. <laughs> na dabari golle ñani débari, dabari golle ñani parce que règle qui na pas. qu'est-ce qu'on appelle acte silama gum no gondi on do fofora ga baraje nga kitene ma à nga kitene aha to gonde atarku na fon to gono na maga dabari dabarinde ana xay matuma xay ndiga mege fa serebe gana ni masalan taraka salata ada sallen tokono faala shay ma wala ma faala shay ha ada fo debere parce que kella nyana sababu ye fuqaha ni nyogon gat ona ka magebe anga ma fo debere ta kala idan innama al a'malu bin niyyat qad khaqlan tokono attention faut pas aller trop vite parce que digam kenyan ngat khadanga uh, le choix le choix euh nawi ga sugandu be ndeba di suku batra sugandu fe yo solo ko ko ne qiya woni wutto karma woni khara woni tanga ona uh, dagi ko soro ndanga me anani o yimbe madugo tadi ga me ke famu sirin cirin cirin cirin ana famu c'est un c'est un choix philosophique c'est là on est en train de placer, on est en train de t'indiquer la place de l'acte en islam et de l'intention. Qu'est-ce que c'est que l'acte Golenmane, tout ce qui peut être rétribué, tout ce qui peut être rétribué, si y a c'est un acte. Maintenant, ça peut être le fait de ne pas faire, de n'avoir pas fait. Quand on dit acte, ça peut être le fait de faire quelque chose, ça peut aussi être le fait de ne pas faire quelque chose. Quand tu vois quelque chose qui est haram, et ton, ta pensée vient à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Allah, il a interdit ça. Je, je m'en éloigne. Et tu t'es éloigné de ça. C'est ça, c'est un acte. Mais c'est un acte qui euh, euh, ne consiste pas à faire quelque chose, mais qui consiste à ne pas faire quelque chose. Voilà. binni yaati tinga ni nyama awre nya biro sonna kumba kuti جدد نيتك كما تجدد وضوءك كما يقول العلماء جدد sar sire anna nganni en kurba ko ni fonci ya ko ngan challe jin kurba ko ni sarle juwa na ya so so men ken ndi filli bugo me ni en wandi en do gollen ɗo sefe alati la yakmalu al qawl wal amal illa bi wona babo tana eno wona babo tana eno wona limananka ko mbabo ñayno wona limananka ko babu ñay no li limananka ko babu nga fini ko sikki so amalin ton name wono golle mbaabu ñayre hay faamu non wona limanan ka ko mbaabu serenti ke sondo men noko y tongo di talla hay to ko ken ni bana problème aman hal aman ma aman arsara gumen diga men do ke fangriere ya maɗo kotinene nga xamte sondo men hal aman aɗa ko ay sondo men aɗa kotinene nga walam yamal bi yadihi أي بالجوارح كما قال صاحب الرسالة هل آمن؟ نو هنا إيمان ياسفنا هنا إيمان ياسفنا يرون قول ياسفنا أنا فهم لا valeur de l'acte et la place de l'intention golle ki banga de berne khima begay ado ngani en place ngani kebe dina ndokhund et surtout ici l'importance begay digame kayere l'importance bega nous de renouveler renouveler en permanence son intention. Pour ne pas tomber dans l'automatisme. Dans anama xempe a daga xenu euh, au ah, ah, wuru ndano weekend a accident de kam be parce que tu regardes plus anga presque anga sutu ye ke no ko yere ci ke gindu ko dangi bure ganga ko anga no automatisme ñana dina ka to di ana fam dina angana to xada ber debur debur deber anda fo be ka ngad debur ngad debur ngad deber leger ni nga a wakati ngana kinya ta ñana mako comme une un acte mécanique ha yo kenga kenya fa ke soufi gan koku so be ni ga soufi gan ka ko ke ga ga daban debur ne katte wata kis deber ke diga be kam basiringa ha nanti comme il a ina muslimen condome ngol ñangundi na sondome ke hawondi na na le domaine ke birandini effectivement asri c'est très très bien c'est très très très bien mais problème qu'il y ken xay m'a daga xenu travers tana xati c'est à dire bon il y a des gens qui euh, dans leur islamité est une islamité mécanique d'autres <laughs> est une islamité philosophique et verbale les deux

Hmm? al c'est pour ça que j'ai préféré cette traduction les actes ne valent que par c'est très important ce livre-là, je l'ai traduit en sonique, je l'ai en sonique écrit. Surtout toi, je crois que tu en auras besoin. Pour apprendre quelques mots en sonique. En sonique, il y a un ordinateur, non, ce n'est pas édité mais je l'ai dans mon ordinateur innama al amalu binniyati gollu na ganni yu mbaane baane ya mahay kene baane wa innama li kulli imri'in ma nawa ma keñata ban xada ko xada ko parce que xanda ña xara ngay fo xana xara xara mo sa ngeñe wa innama li kulli imri'in ma nawa خمات لكل امرئ لا وانما لكل امرئ ما نوى خما خم غدو نان تخلو عربيه نيا خران ген نباي ndaxa selen di kille ñay folo mane xa selen de ke wure fatinan to koran ko sa qaida ni ngara o sere su angar kebe ngan ne kemba na ñananda sere su à chacun ce qu'il a intentionné à chacun Si je traduis cette phrase-là, littéralement, je dirais à chaque personne. Hmm, il n'appartient à chaque personne, parce qu'il y a le mot innama hein, qui, est, qui réduit le champ. il n'appartient à chaque personne que manawa, ce qu'il a intentionné voilà on golle deɓar anga deɓartingal niyeɓe ke mbana ñananda golle ke ma Hadith mm-hmm. hadise ke monere Hadith ke ñeme mama ñeme a a ñeme hadise ñeme là le hadith est fini mm-hmm. c'est la fin du hadith le reste est parabolique tout simplement toute la philosophie du hadith est là إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Mais après, le prophète, il va donner un exemple, tout simplement. Le reste, ce n'est qu'un exemple. Mais on peut, on peut prendre un autre exemple, un autre et un autre, un autre. misal on هذا مثال بانا كنينو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليها اليه كلمه استطراد تمثيلي C'est une extrapolation pour donner un exemple, tout simplement. Mais diga mi keken chunu kay way nama li kulli il ma nawasa suwa ngar kebe ngal ne kenya wakati ni nyogoni eh, moi j'aime bien la, biographie des grandes, personnes des grandes personnalités islamiques j'adore j'adore tout le temps j'achète des livres sur la biographie d'un tel ou d'un tel ou d'un tel que par exemple parce que souvent je me demande comment ça se fait que quelqu'un puisse euh, euh, comme Mohamed al par exemple des gens comme Mohamed Al-Afghani c'est un Afghan mais il s'est senti responsable du monde musulman tout entier. Il s'est senti à un moment donné responsable de tout le monde. Il ne, pouvait pas vivre tranquille. Il a, il a fait, il a pérégriné partout dans le monde musulman pour leur dire réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et je me demande, mais comment. وهذا يقرأ هذا يشعر بشيء وهذا يغفل عنه خصو الكتاب بانك واخر اون لي لي ميم شوز لو لو ميم قران لا ميم سنه مي كومون سا سفي كو وقت نيوكو يوغو يلي يل ديفين هيبر كونسيان دو كيلكو شوز سيرتان خاناري لي لا ميم تيكس مي ني با دي تو كونسيان دو سو ميم شوز مو سوفا سا سا ميتريك اون ديري كان ناخ مخوخو انتو خسرو كو كوتو نغ دي كيبي وري ما وريا كوم سي الا ايما خرا سي ايدا مي لا سانسيبيليتي wakatini ñogoni yara sensibilité aussi de la foi quand on a la foi profonde angana limananga ko juppu juppe ngana serenga en sensibilité sal fon taxa danginanga diga mun noxonti fon taxa danginanga diga mun noxonti wa ma li kulli mri'in ma nawa sere sugay angare kebe nganne ya kembaane ya nyananda sa sa innama wuren kenya kembane nod ma fam mm-hmm. inna ma ngre wor no ko sawren ke mm, kembane ke digame kunu sasa seren cuuɗa mugu mais seren cuurta soɓini nanti ke digame kundu sasa dunaga kere wacca duna kere tike est ce que soro osu ga kebe kungu mumini ñanowe musilimo ñanowe kundu kundu kundu est ha? que tongu ñani ke suudiba suke sun tongu mais sere ñanan kebe nganniye keño ñana maxa mais pourquoi o bugana ñogoni ke nganni aga domax commence donc mensonge yo gwanano gare yo gwanano soroguga birene tay annas yanwuna dunia nganiebe ga serenchu makhlenki gamulena kebe kita fina mhm. la priorité la première des choses la plus importante pour les gens maintenant à dunia le reste c'est du blabla mhm. excusez-moi <laughs> parce que rasul alayhi salatu wasalam wa innama li kulli imri'in ma nawa kayfa الدنيا الأمة الإسلامية وغير كيبلينكي ننوي الصلاح وننوي الاسلام وننوي الخيرات وننوي وننوي ولكن فوفو تو دان كن نخوتي هرباني دونك نني نتا غارنتا نبي من ديغا من نخو انا هذا مرمون ديغا من نخوتي يلا بري لا خنا خنا نيو قنا سين الله دا سبحانه وتعالى بس ça toujours ngega konkada toujours harin ke dar so hadde ngego da tafsir kin ko ngeda kedo xara le man na xam nga client ma ko Daourou Yann Makanga a joué un rôle, j'ai un rôle à jouer, toi tu as un rôle à jouer. Il faut que chacun joue son rôle. Il ne faut pas que Sirbane Gane Ranga Simon Kwananti. Non, c'est la grande fille de Yann Daka. Québec à Makandana. والله ياتي بخير من ذلك ما نلاقي الفورتا كان باسكيك ما ما غادي فهم انما الاعمال بالنيات بركنا لو تواخنا خرا لما غني لو خرا ما غني خلال لما نابور تلا خرب مخنا كنه تلا ولهذا لابد من المحبة بين العالم والمتعلم فور مي خنوين نانيا توانا خرا توانا لما خرا لما نخ خرزو كونيا غارني غير من كان لين باسي دما خرا لما كان لين نكير فور فكين ده فور فكين نشانتر chantre حجي حجي كبه لم lemne ke كين هرنا كلين كتبونه قل ke tabu ngol 80

Et il est tout à fait normal qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes sincères dans toutes ces prétentions de réforme, dans, nos prétentions, euh, dans les prétentions des musulmans aujourd'hui Quand ils les voient, tu penserais qu'ils sont prêts à faire quelque chose, ils sont prêts à... Mais ils n'y arrivent jamais. Allah, le prophète lui, il a dit à chacun ce qu'il a intentionné. Si on avait vraiment l'intention sincère, on y arrivera. On y arrivera, parce que c'est le prophète qui l'a dit à Mais si on doute nous-mêmes, hein, le musulman aujourd'hui, il est, il est complètement. Il est dans le doute, il doute lui-même. Quand on, a dit, on a de oh non, papa, il faut des millions d'euros, il faut. C'est Sahaba, hum, ils étaient 300 personnes. Mais lorsque le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et eh bien maintenant il est temps de faire face, ils ont fait face. Allah, il les a aidés. C'était le battre. Mais lorsqu'ils étaient nombreux, <laughs> dans le sens contraire, ils ont gagné hein, lors de la bataille de Uhud. Là, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont dit Selon les historiens, ils ont dit, bah, ah ben, cette fois-ci, ben, on, va, en faire une, euh, une bouffée. Voilà.

vers Allah c'est l'intention de l'immigration parce que ku phrase ni beni ku jumla ni beni gayre fo xana xani fa mo faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih maga fet kera ila ben ara mugina rabbil qanne nga folomani me arat mugina soni kan qanne parce que ngana tsere be gana nyam progo ngana nyam katalla di fa ngam progo en katalla di fa nya skene diga ko funya سلاغ نيا كتلا دي فارنيا نيا كتلا دي فارنيا كين دي هذا هذا كلام فارغ اورينيا فمن كانت نية هجرته إلى الله ورسوله فأجر هجرته أجر من هاجر إلى الله ورسوله تقديرات من يندقى مكان على مقنن voilà فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله celui dont l'intention d'immigrer tu vois est, fait, est formée pour le faire vers Allah vers le prophète c'est-à-dire pour venir aider le prophète l'assister, euh, euh, euh, renforcer les rangs des musulmans, alors la récompense de celui-là sera celle de celui qui est immigré pour Allah et le prophète. Alors maintenant, cette phrase-là, il y a plusieurs formulations aussi en français selon les gens qui le traduisent, mais euh, l'essentiel c'est de savoir tout simplement que il s'agit dans la première phrase de l'intention et de la, dans la deuxième phrase de la rétribution, de la euh, euh, récompense. Voilà. Donc on a tout le temps notre phrase fanaki, do, ngani kama do wa faman kanat niyyatu hijratihi serbe hijra forgo ngani ngananya ila allah wa rasuli angata a ngintalle allah di faran cagata fa hijratuhu kem pasare nyana manne fa ajru hijrati aken kem porgo e barajen keta ha ken nyana manne ajru man yemme ña barajen nga hajara ila allah wa rasuli kun kutu kuti bakkay parce que arabun kan kenga ha fa hijratuhu ila allahi wa rasuli parce kunna bana ya rabbun tin ya khotte su manan khotte su ga labene diga men no nga akhamni den daga ngana ta da kayfa haluk al jawab ya abu ya abu bakr baraji kayf halak khairan اه ولا اما حالي خير اما خايل بمعنى انا حالك خير من انت خيرا وقد خيرا مثلا خير انا خيرا خير خير خير انا idan kenyani ke diga min ala waman kanat hijratuhu serbe forgo e ngananya voilà kena oda euh, on a vu le premier cas c'est cet homme là sincère qui a immigré pour Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y aura la récompense de sa, sa, son immigration le deuxième cas فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته لدنيا ها سربي غنا نيام بروغو اي ومن كانت نية هجرته لدنيا يصيبها دنيا يري المال الجاه دنيا وري فتي فوتنا دنيا وري دنيا كده من دنيا دومبو فوالا سربي ري مغنا نيام Le duna dum po ya da yusibu ha gamula na kita Allah faran kala ku ba mm-hmm. ah, le prophète ne peut pas le savoir il y a que toi et Allah qui le sait le prophète il a tout simplement dit il a donné la règle celui dont l'immigration est faite dans l'intention d'obtenir quelque chose de dunya فهجرته ila mahaj aw imra'atin ma ما ba mm-hmm. ma ما ou une femme يتزوجها أو ينكحها نيانا خسومها قبل جود نسخة بانا نياغبو خلا نسخة تنقبو خلا نسخة نيغوني مورو خاني بغو بغو ميوري بس كحديث كوري واي نيغا يبكا بكا ميوري comme ça wakati ni ñogoni ngana ñu ko ngana ñu comparaison de bar mo matu na ngana ñu hadisen tangana ko tegan ko ngago ko ngi mo goni fili wala si ko sire nan na ken tuwa ha daga yakhini fa hijratuhu ila ma هاجر إليه أفرغ إمبرا جنانيا كاتكيبي أغا فرغو ما كان بيبا voilà dans certaines versions c'est أو امرأة يتزوجها ها يا y a même plusieurs versifications on a dit ici version بيغو مخيري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفي بعض الروايات إنما الأعمال بالنية كان البخاري بالمفرد dans certaines versifications dans, dans certaines euh, versions de ce hadith إنما الأعمال بالنية dans ce cas la نيه là-bas les, les ulama ils disent que euh, le jeans il est générique Non, on ne dit pas, bon, c'est l'intention, une seule intention. Non, c'est générique. Bon. Alors, à la fin de ce hadith-là, chez le Bukhari, il dit Aw Ici, nous avons Aw Voilà. Mais le sens c'est le même toujours. Celui qui fait l'immigration, euh, dans l'intention d'épouser une femme dans l'intention d'obtenir quelque chose de la dunya, il ne faut pas qu'il s'attende, il faut pas qu'il s'attende à autre chose. La récompense de sa, sa, son immigration sera celle de, hein, euh, de quoi vers lequel il est venu. Voilà. Agariti kebe, akhal abrajin tu rempene kebe. Fa hijratuhu, abrajin, mana forgo eke, barajin tu soa rempene minna. Ila mahajara ilayhi, agariti kebe. aɗa fam voilà iwa histoire yego xisa yego kongoyere kingani serebe yigo yogo ani gatindanga mohajir ummi qais yakhare yogo ani makka atogongani ummu qais ummu qais aga tuubi agaro silama kunga kembiraya makka anta yigo maxa yakharen xa baneranta gunne ke kille ŋutu tangirni mamoudou salata ada sartin katunantiɓe gi ke mulla yoxunga ya masu il faut annan di battenya kata madina inti yakiɗanga xa na forogonda jofenugo bireɓe ina yaqa yo yugoyogoyo nonga i kenda xanu aɗo fida battade ge game ya, barama yo a falle yugo kere fere ñata mi ka jofene madina yo gele sa beni kugada worita e kati xaari hijiranga bon toxa kongodo fo katike yaxara ñande kelit katike yaxara nya kelit ke ngar yere ke nga allah alla nya ñande rit ko fare me ke jofi fare toron sallallahu alaihi wasallam le prophète alayhi salatu wasalam c'est le meilleur enseignant aya na xaramngana na alayhi salatu wasalam o oh, jama ke suga taxuna ma dungetini kaati anke awa eh, aliti yaxare ña wala non Alors Qaïdan, il a donné une règle qui reste valable jusqu'à Yom Qiyam. Il l'a pas liée à la personne. Voilà. Ama anado sereke yetume. Ada Qaïda mkinati إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه خلاص اكن بيغن مي خيسا غومن غادي يدي غامي مو سرتنا غابي غن حاجو تنا بس ندوك ما نان تيري مثال هجرة كي بان فدي غول تنا سونغا دبر واكي خران بينو غوي واتي يغوي يران باغي خران ساسا بران نانيا كوستو نيا كوم بن سون بواتني اوي انما الاعمال بالنيات يا ابنائي انما الاعمال بالنيات انغنا angana buttu الله دا نان خرا مين لا دينا pasana الله نان demana keña نياكام angana buto gore ngudu buran nan kala nan daga ko gade be ngana tamme antano bo an ka kala nyana kinya asunya ne ken banata donc an nan ni en suru ndi anga golle su barna ya tuwa murunde anya salle anya sume anya jakka anya fof hartu babu golle ke banga da barne anna il faut anna ta ko anna le réfléchir sur pourquoi tu fais ce travail là anna ila ngan ni en kurumba ko ngana ko ngana Allah subhanahu wa ta'ala donc là je viens de raconter un peu une anecdote qui <coughs> selon certains ulama serré à la base de ce, ce hadith euh, provoquerait ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il paraît qu'il y avait à la Mecque. Pourquoi je dis paraît Parce que le hadith, il y a une, certaine critique sur le hadith, sur la validité du hadith. Comme ça, je, prends mes précautions. Euh, donc, il y aurait une femme qui était à la Mecque qui s'appelle Oum, euh, La femme s'appelle Oum et eh, elle était très jolie et eh, elle n'était pas mariée. Beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Elle avait conditionné hein, son mariage. Voilà. Euh, voilà, par la conversion de son mari en islam. Elle, avait dit que elle, elle voulait venir à, Médine chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais euh, vu le désert et le risque qu'il y avait pour une, une femme seule de prendre la route, elle attendait de trouver un mari pour, venir à Médine. C'est pour ça qu'elle avait donné la condition que si quelqu'un veut l'épouser, il faut qu'il soit musulman et qu'il ne l'épousera qu'une fois arrivé à Médine. <laughs> Elle avait peur d'être trahi. Donc, il y, a un homme qui l'a suivi, suivi, et puis à un moment donné, il a été d'accord de, euh, de, venir euh, avec elle à Médine. Il est venu à Médine. Et quand les gens l'ont vu, tout de suite, tout le monde a compris que celui-là, celui-là, il est venu pour l'islam. Non, non, non. donc on a commencé à parler de ça à droite, à gauche, en disant, ben, celui-là, ben, de toute façon, c'est cette femme-là qui l'a, c'est à cause de la femme qu'il est venu. Et cette parole-là a tourné, a tourné, a tourné, et elle est arrivée dans les oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, le prophète alayhi wa sallam a voulu donner, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que le prophète était le meilleur professeur, le meilleur enseignant, parce que le prophète a voulu en même temps donner deux leçons en disant une euh, seule parole. Il a donné la leçon à cette personne euh, euh, à laquelle on reproche un peu son hypocrisie. Il a aussi voulu donner la leçon à la Jama'a en leur disant l'intention, c'est quelque chose d'intérieur, c'est Allah qui le jugera, c'est seulement Allah qui le jugera. Nous, on ne peut pas le juger parce que le hadith, justement, النية قلبية نسول من نقول الله بنا كتا سرنا نقول لك بنا بر كيبي كنا كنا كيبي كتا نقول تا أقدر كيبي كنا أنا كتا نقول كنا يا سبب كوها بين كني فوق عندنا أم أم إن هذا مهاجر أم قيس إن أكورو كنا خنا خرابة كي درس من نجا فيلو خكم بيجا فوق عندنا خكم نكورو أخاب بيجا نجا برني أخنا خرابة كي لا les gens qui le dénigrent à droite à gauche euh, comprennent à partir de ce cas de que Euh, le jugement de l'intention, en fait, dépend d'Allah subhanahu C'est au moment de la rétribution. Donc, que eux, ils n'avaient rien à voir là-dedans. Seulement le jour où il va venir devant Allah subhanahu wa ta'ala, là, il y aura de ses actes, de ses actes tout simplement ce qu'il avait intention. En même temps, lui aussi, Muhajir ou umm Muqais, parce que la personne l'appelait Muhajir ou umm Muqais, lui aussi, eh bien, cette personne aussi, euh, tirera de cet enseignement-là euh, une leçon. Voilà. Comme quoi, voilà, j'ai traversé le désert, j'ai souffert, je suis venu jusqu'ici. Maintenant, je suis compté parmi les musulmans. J'ai fait la prière comme tous les musulmans. Et eh par l'hypocrisie, tout simplement, je suis en train de, souffrir pour rien du tout. Ce n'est pas la peine.